en wolof nan nga gisee bi instant yi mi-temps zéro zéro bi part. Ah, waaw waaw waaw GIE ñu neewoon desa collectif bi desa non desa GIE quoi ah, football bi la jël desa ndax match daa bëri pression quoi moo tax. jeu bi daal di xaw a bëri lan mooy expliquer loolu. waaw parce que joueurs yi calmé wu quoi ñun suñu équipe aise bi calmé wu ñu buñ calmé tuuti rek ñii ñoo leen mën ñoo leen mën buñ calmé bi. am aussi benn action bi yow lan nga gis ci waaw match bi métti na trop match bi métti na trop dañoo waroon dañoo waroon teg bal bi football gagné teel a teel a libéré ñu libéré ñu ñu gagné booy quoi mais xam nga rek. warul mën a yomb tamit gars yi dañoo ñëw ah, avec force xam nga warul mën a yomb tamit si suñ côté mais deuxième bi gëm naa incha allah day baax. su gis jeu bi daal di xaw a lan mooy expliqué loolu. non sam booy waaw ñun ñun premier match yi daan nañ football normal quoi xam nga waaw daan teg bal bi mais tey damaa gis lool booy defuñ ko quoi bañ mi temps weesu maa ngi leen ko doon wax nii pour bal bi ñu teg ko nii football. am benn action boo xam ne coow li bëri ñu bëri naan bii am na wala bii amul loo gis. bal bi bii la sax bal bi bii am na quoi mais xam nga rek arbitre mooy mooy mooy maître après huit eh, mois de concentration les élèves ont besoin d'une journée culturelle vraiment pour libérer l'esprit ah, c'est-à-dire pour libérer l'esprit donc je profite de l'occasion vraiment pour saluer tous les élèves des cours privés Serigne Abdou Karim Baké et mention spéciale à Bekay et Info. Maintenant, le programme est formulé comme suit. Aujourd'hui, c'est le match entre première et terminale. Jeudi, Inch'Allah Rabbi, Sabar, vendredi cérémonie officielle avec Guédiawaï Info. Alors, monsieur, à travers ces FOSCO, beaucoup ignorent donc quel est l'objectif qui est visé. Selon vous, quel est l'objectif visé par ces FOSCO Très bien. L'objectif, d'abord, la journée culturelle a un premier objectif, celui d'unir les cœurs entre les élèves, de rassembler, mais aussi un deuxième objectif, de faire la publicité de l'école, quand même aussi parce que la publicité de l'école passe par le biais des journées culturelles pour avoir une belle image, mais aussi pour encourager les élèves à réussir l'examen du baccalauréat, mais aussi du BFM. je ne vais pas terminer sans, un peu vous, vous Vous êtes venu sous les ovations des élèves. Qu'est-ce qui, explique donc cette affection que les élèves ont à votre égard C'est vrai, c'est vrai. Vous avez remarqué cela. Parce que c'est une longue histoire entre jazz et les élèves. Vraiment, les élèves sont mes amis. Vraiment, parce que c'est la deuxième année d'ouverture. Ils sont venus en masse pour étudier au cours privé Serigne Abdou Karim Baké. Tout cela grâce à une confiance que j'incarne envers eux. Vraiment, je prie le bon Dieu d'aider tous les élèves à avoir le bac, mais aussi à avoir le BFM. Vraiment, yalla bu Yakar tass parce que ñom wolu nen ma yakar nen ma ma ñaanal jërëjëf. Donc on peut dire que c'est un respect qui repose sur une complicité mutuelle. vraiment, il y a une complicité entre Jazz et les élèves. Bah, notamment parce que c'est ma dixième année dans l'enseignement. J'ai eu l'occasion de dispenser des cours à leurs grands frères ou à leurs grandes sœurs. Maintenant, en retour, c'est eux qui disent aux élèves de venir étudier chez Jazz. sur le mot de la fin et le message que vous allez vivre à l'endroit de tout Jazz School. Oui, le mot de la fin, vraiment, que le meilleur gagne entre la première et la terminale, que la fête soit belle, mais vraiment, mention spéciale à notre bécaille, à notre bécaille Guédiawaï Info qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Vraiment, Bekaï, on ne peut pas te payer. Il travaille pour nous bénévolement, sans être payé. Vraiment, je remercie Guédiouaï Info, mais aussi à, Mademoiselle Mintou vraiment, qui est une élève courageuse, ambitieuse. Vraiment, aujourd'hui, elle est là, elle m'accompagne pour cette interview. Vraiment, et aussi, je prie le bon Dieu que les élèves qui font le bac puisse réussir à l'examen des baccalauréat, mais aussi des BFM et aussi à y a yàlla may d'office admission merci